Salut Vibe Radio, salut à tout le monde. Je me nomme Chava Sissé, plus connu sous le nom de Chabi. Chabi, c'est une très longue histoire. Chabi, c'est une danse hindoue. Donc, depuis mon depuis ma est de Mobog Et tout, après, on m'a surnommé ça. Bah, Chabi. Chabi est Chabi. <laughs> Chabi, elle est genre une fille simple qui n'a pas de problème et tout. Toujours joyeuse, mm. ambitieuse et euh, voilà. Ah, j'ai eu à incarner d'énormes rôles de la saison 1 à la saison 3. De la fille capricieuse, de la fille violée, euh, de la fille euh, bi nga de une belle-mère De la fille bi nga xamante de dafa dëgër bopp ah, sans l'aval de ses parents et tout. La fille qui s'est retrouvé en prison ñëw nek bad girl donc tu frères une taupe <laughs> donc voilà maintenant et c'est un peu calmé à hein, Chabi c'est un peu calmé <laughs> durant la saison 3 non je suis changé moi tourbi. maintenant tu es connu alors qu'auparavant n'étais pas connu mais maintenant ça veut veut dire je suis telle que je suis te ñaanuma à changé certains je me suis euh, comment dirais-je dans ma tàmmaloon sama bopp que ni man ma nek au devant de l'écran donc euh, tayji man ma choisir euh, métier bi nek actrice luñ ma wax rek damay xamné Chabi lañ ko wax waxuñu ma euh, man mi en tant que tel donc ça va c'était gérable le mensonge <laughs> le mensonge le mom ak l'hypocrisie loolu mom mënu ma ko supporter wala su may joxe cours de danse aussi et que dois suivre doo concentré wu loolu mën na ma mer ah Voilà, wala su may cours de danse aussi et que dois suivre doo concentré wu loolu mën na ma mer ah merloo lépp day xam nga rek dañuy faux affaire des fois dañuy defar euh, pour euh, les réceptions et tout dañuy joxe ay cours pour hôtesse <laughs> c'est une évidence mm. uh-huh. li ma gën a marqué ci biir série Pod et Marichou mooy euh, biñ ma violé biñ ma violé et que me jouer comme sa maman vraiment ça m'a touché et euh, di ñaan tamit ñu ñaanal ko fim ko elle a rendu l'âme donc euh, passage touché na ma torop dal ci sama vie et tout Ouais, ñu ngi bu change parce que milieu cinématographique bi rek yorul nit donc ñu ci ay et dinañ ko xam ben, je remercie tout le monde, je remercie Marosi TV, je remercie tamit ñi nga de près de loin maa leen et je remercie tout le monde plus particulièrement à ma mère sama yaay yëpp waaw ak sama doom ndey Bali pour que vous bëgg am samay actualité samay news xam si lan la vous abonneel ci chaîne YouTube bu Vibe Radio peace